léegi nag ñu jox kaddu gi pour mu ñu bañ def ay commentaires motax ñu jox kaddu gi Serigne Abdou Lahat Mbacké Gaynde Fatma mom nak il va parler de la de l'actualité de la pensée soufie il est également le chargé de la communication du Magal de Touba ñi ngi lay sante bu baax a baax di la jox kaddu gi Serigne Abdou Lahat Mbacké bismillah baax na euh, aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mboole mbokki jullit yi fi teew di sant ñëpp di gërëm jëpp di jiital ci kaddu yi kaddu gi nga xam ne moo di di ndokkeel maam Cheikh ak mboolem ñu mbokkal ay yees ci seen taxawaay bu bu rafet <clears throat> ñuy dikk rek di am ay baat yu gàtt yoo xam ne danañ ko jot li mu jëm ci l'actualité de la pensée soufie c'est une communication que nous allons faire en en français et pour parler des des origines et de la définition du Sufisme, C'est la première partie de, notre communication. Malgré les controverses suscitées par son développement, sa neutralité et les dérapages de certaines de ses manifestations, le Sufisme ou le tasawuf est consubstantiel à l'islam. Les maîtres soufis eux-mêmes disent le soufisme, c'est la station de l'excellence, al-ihsan, en islam. Il est attachement à la loi divine, il n'est guère miracle ou prodige, car même des pervers ou des mécréants peuvent avoir des prodiges. Et le tasawwuf trouve son origine dans le Coran même. Et nous allons citer quelques versets coraniques. C'est la sourate 57, verset 16 al-Hadith où Dieu nous dit Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui croient que leur cœur devienne humble à l'évocation du souvenir de Dieu et devant la vérité révélée Qu'ils ne soient pas comme ceux qui reçurent l'Écriture auparavant et trouvèrent le temps si long que leur cœur s'endurcir... et que la plupart d'entre eux devinrent pervers. Dans, ce retour, Kaf, la 18, verset 28, Dieu nous dit également Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent, point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Dans le Coran, Dieu nous dit toujours, dans son retour Ashura, dans Sourate 26, verset 88, 89, le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront utiles, sauf ceux qui iront à Dieu avec un cœur pur. Donc les fondements du Tassawuf se trouvent dans le Coran même. Et si on invoque la tradition prophétique, M. Ngom l'a dit tout à l'heure, le prophète lui-même a dit quand on lui a demandé c'est quoi l'insan, il a dit c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. Et les soufis eux-mêmes également ne cessent, n'ont cessé d'affirmer leur ancrage dans le Coran et la Sunna, l'ancrage donc du soufisme dans le Coran et la Sunna. Si on invoque Al-Junaid, il disait Notre voix est lié au principe du livre et de la conduite prophétique. Quelqu'un comme Rochairia lui disait Cette science qui est la nôtre est façonnée avec les paroles de l'envoyé de Dieu. Et la plupart des saints soufis considèrent le prophète Mohammed comme le premier adepte à une époque où, disent les soufis, le soufisme était une réalité sans nom, pour reprendre les termes de l'un d'eux du temps des compagnons et de leurs successeurs, ce nom n'existait pas, mais la réalité qu'il désigne était en chacun d'eux. Cette réalité nous est décrite par Al-Hassani al-Maghribi qui nous dit le soufisme est la science par laquelle on connaît les modalités du voyage vers le roi des rois. C'est aussi la purification intérieure des vices et l'embellissement intérieur par toutes les vertus ou l'effacement de la créature. Son début est, science, son milieu action et sa fin don de Dieu. Et cette définition est également partagée par Al-Junaid qui affirme le soufisme est entièrement bon comportement. Celui qui te dépasse en bon comportement te dépasse en soufisme. Mais il y a d'autres soufis qui mettre plus l'accent sur la dévotion au détriment de l'éthique. Comme le rapporte l'historien Ibn Khaldun qui dit le principe du tasawwuf est d'être constant dans les adorations et de se consacrer à Allah entièrement en se détournant des vanités mondaines et des futilités. Et notre cher, Cheikh Bambo, lui a une approche beaucoup plus synthétique qui réconcilie charia et haqiqa. Et il nous dit dans Masal Jinan, en, en toute certitude, le véritable, le souffle véritable, est un savant qui met en pratique sa science en toute sincérité, sans jamais faillir. Pur et exempt de toute imperfection, le cœur illuminé par les secrets, concentré sur son Seigneur, ne faisant nulle distinction entre des pierres et des pièces d'argent. Il nous montre ainsi que action et science d'une part, adoration, éthique et mystique vont de pair. Pour lui, il n'y a pas de séparation. Et pour entrer dans le... Nous allons évoquer l'évolution de la pensée suffit au fil du temps. Et nous avons constaté qu'il y a quatre étapes. Et la première étape, c'est l'étape, c'est la phase que nous appelons la phase prophétique, qui est la période qui concerne celle du prophète Mohammed et de ses compagnons. C'est la période où le Tassavouf, comme je l'ai dit tout à l'heure, était une réalité sans nom. Et à cette époque, il y avait des gens qu'on appelait Arlois Soufa, les gens du banc, qui étaient essentiellement composés d'étrangers comme Bilal, Salman al-Farisi, comme Shoaib Arumi, et qui n'étaient pas totalement intégrés dans la société, qui vivaient dans des conditions plutôt difficiles et qui se mettaient en assemblée pour faire des invocations. Et il y a un verset coranique qui est venu, c'est le verset euh, dans Surat Kanfou que j'ai cité donc tout à l'heure, qui est venu les conforter dans leur comportement, dans ce qu'ils faisaient, dans leur manière d'adoration. Et donc le prophète Mohammed, à partir de ce moment, s'est joint à eux et c'était devenu une sorte d'école. Et plus tard, après la disparition du prophète Mohammed, des dissensions sont apparues dans la communauté. Et certains compagnons et des ascètes refusaient de prendre position ils étaient totalement indifférents aux préoccupations politiques et sociales et ne se souciaient que de la dévotion pour Dieu et de la préservation de l'islam originel. Leur indifférence et leur neutralité étaient telles qu'on les appelait les disciples du prophète. Et là, nous avons les vers du grand mystique perse Farid Uddin Attar, qui est l'héritier de cette école, parce que lui, il a vécu beaucoup plus tard, et qui résume bien donc leurs pensées. Il dit, mon enfant, Bien que tu puisses connaître Abu Bakr et Aliou, tu ignores le Dieu de ta raison, de ton âme, oublie toutes ses futilités. Et comme Rabil Adavia, jour et nuit, sois un homme de Dieu. C'est un point de vue, ce point de vue distinctif des soucis poussèrent certains éléments sunnites comme Malachite à les qualifier, à qualifier donc les grands maîtres soufis d'hérétiques et à réclamer leur condamnation dans diverses époques. Et la deuxième période, la deuxième phase, c'est la phase que j'appelle la phase du développement. Et c'est une époque faste en Irak, à Bagdad, qui était à l'époque la capitale des Abbasides à Bagdad et à Bachora. Et la plupart des soufis se regroupaient autour d'écoles tenues par des maîtres réputés tels Al-Junaid, à Bagdad, al Tussari qui était à Bachora. Et alors se sont développés publiquement, puis consignés dans des traités les thèmes qui relèvent de l'expérience mystique, l'introspection, l'éducation de l'âme qui doit se débarrasser de ses mauvais penchants, l'amour de Dieu et surtout la fonction vers Allah à travers une série d'étapes ou de stations maqama progressifs et des états que nous appelons hal qui sont eux donnés en grâce et ces écoles soufis se présentaient comme la réaction des réformateurs contre la disparition des valeurs et des mœurs dans l'environnement de l'époque marqué par une prospérité matérielle qui a détruit partiellement la spiritualité. Et cette époque, on peut le, classer en, deux phases. La première phase, la première phase est dominée par l'ascétisme et l'éveil nocturne avec les zikres. Le détachement l'épuration de l'âme, l'acquisition des vertus spirituelles à travers le silence, les retraites spirituelles et le jeûne. Et tout cela s'organise autour de cinq piliers le souvenir continuel de Dieu, les le silence, l'éveil, le jeûne que Shahbam appelle plus tard, appelle la fin, et la retraite spirituelle. Et à ce premier stade de l'évolution, les soufis aspiraient pieusement à une récompense céleste dans l'au-delà et étaient pétrifiés par la notion d'enfer, passant ainsi leur vie dans la recherche d'une piété parfaite. Et cette époque, peut-être, euh, on peut prendre comme modèle Hassan al bashiri qui a vécu de 692 à 728 pour représenter euh, les soufis de cette époque. Et la deuxième phase est marquée par l'amour et la tendresse envers Dieu. Les soufis ne sont plus omnibulés par une piété parfaite échapper à l'enfer ou pour bénéficier ou pour entrer au paradis, mais uniquement par l'amour voué à Dieu. Et l'un d'eux nous dit, je jure par ta grandeur que je t'adore non pas dans l'espoir d'arriver au paradis ou par crainte dans l'enfer, je t'aime, je t'adore uniquement pour ta sublimité et ta magnificence. C'est Rabbi Adawiya qui dit ça. Il continue encore, l'amour de Dieu ne me laisse pas de temps pour me dire Satan. Un autre grand soufi de cette époque, Abriyazid Bestami, nous dit, il, il répond à une question sur l'ascétisme et il dit L'ascétisme n'est pas grand-chose. J'ai été ascète pendant trois jours. Le premier jour, je me suis abstenu du monde. Le second jour, je me suis abstenu de l'au-delà. Et le troisième jour, je me suis abstenu de tout ce qui n'est pas Dieu. Et on assiste donc et c'est à partir donc de cette époque qu'on a assisté à des frictions parce que le comportement de certains soufis était condamné par les éléments et c'est une tension qui a atteint son paroxysme avec la condamnation à mort après donc 10 ans de détention de, Al-Halaj qui disait en Al-Haq, je suis Dieu. Et parce qu'en fait, il vivait des expériences euh, que le commun des mortels, que le musulman, en tout cas, ne pouvait pas comprendre. Et quand il maintenant se mettait à le divulguer euh, dans la vie publique, ça posait un certain nombre de problèmes. Et la troisième phase, c'est ce que nous appelons la phase de la maturité. Et c'est une époque faste, marquée par Al-Ghazali, Ibn Arabi et Ibn Rushd, Averroès. Et ce sont trois grands penseurs qui ont une influence une très grande influence sur la science, pas seulement islamique, mais de manière générale. Ils ont un impact sur les plus grands penseurs soufis et même occidentaux. Ils ont écrit de très nombreux ouvrages et mené des débats restés célèbres dans l'histoire. Ibn Rushd, Averroès, est considéré comme le père de la pensée moderniste, tandis que Ghazali et Ibn Arabi, ceux de la pensée post-moderniste. Et nous devons à ces grands penseurs et d'autres encore qui, ont vécu à la même époque l'élaboration de la terminologie du mysticisme, de la doctrine de l'amour, de l'établissement de, la, théorie soufie et de la doctrine du civisme de manière générale. Et enfin, dans la quatrième phase, qui est la phase confrérique, c'est la quatrième période qui voit le civisme partir de Bagdad pour se, propager à travers le monde. On assiste à la généralisation des chefs qui étaient apparus bien avant, avec des disciples organisés dans le cadre d'ordre confrérique après Tour. Le Tassavouf a connu son apogée durant cette période du 13e, 14e et 15e siècle. Et le Maghreb, l'Andalousie, l'Iran, l'Inde et plus tard l'Afrique de l'Ouest connaissaient une très grande ferveur les maîtres conciliés, Sharia et haqiqa. Suivant l'enseignement d'Ibam Malik, tel que rapporté par Cheikh Ahmed Bamba dans Masalikul Jinan, il lui dit il est obligatoire à l'homme de commencer par le fiqh avant d'aborder le tasawuf. Celui qui omet le celui qui omet le fiqh périt ici-bas par le jugement des docteurs. Celui qui omet le tasawuf périra demain par le jugement du Très-Haut. Il est donc obligatoire à tous les serviteurs de les allier afin de réaliser récompense, la récompense escomptée. Celui qui applique le fiqh en faisant fi du tazawuf est un pervers, est un pervers, un et celui qui fait le contraire est un hérétique, Mais celui qui arrive à réunir les deux est un bon modèle. Il faut suivre son exemple. Sache que la science et l'action constituent les deux moyens pour atteindre le bonheur éternel. Fin de citation. Mais malgré cette conciliation, les maîtres soufis restent conscients des critiques essuyées de la part d'une autre partie de la communauté. Mais avec la pureté de cœur qui les caractérise, ils mettent tout cela dans le compte de l'ignorance. C'est pour ça que Cheikh poursuit en disant dans le même ouvrage, je dis la majorité de nos compagnons ignorent la science du tasawuf et ont négligé ainsi un bienfait évident. Ils ignorent que c'est la voie qui conduit à la présence divine, d'où leur déficience en la matière. Ils ignorent que c'est la meilleure provision le jour fatidique du jugement. Ils ignorent que c'est la voie de la rectitude qui protège le croyant des blâmes de demain. Toujours donc dans Massalik. Et ainsi donc, les, maîtres soufis pardonnent à ces ignorants à cause, de de la pureté de leur cœur. Parce que Cheikh Bamou nous dit toujours dans Massalik, le soufi devient pur de tout défaut. Le cœur plein de pensées justes, détaché du monde pour se consacrer au service et à l'amour d'Allah, considérant à un pied d'égalité le luxe d'or et la mode de terre. Semblable à la face de la terre sur qui on jette toutes sortes d'impuretés faisant l'objet des plus durs traitements, mais qui ne donne jamais que du bien. Celui qui atteint ce stade est un soufi. Celui qui ne l'a pas atteint et se dit soufi est un imposteur. Fin de citation. Et nous avons donc là les quatre grandes étapes de l'évolution du tasawuf. Et maintenant, abordons le dernier point de notre communication pour voir en quoi cette pensée est-elle toujours d'actualité. Et nous nous apercevons au terme de l'étude de l'évolution de la pensée soufie qu'elle a connu des mutations à travers les siècles. Elle est cependant demeurée fidèle à sa vocation première, l'adoration sincère, l'épuration des vices et l'acquisition des vertus. Aidée par la cohabitation harmonieuse de l'exotérique et de l'ésotérique, elle met l'ascétisme, l'éthique, l'amour d'Allah et la dévotion au centre de ses préoccupations. Le tasawuf inculque de cette façon des valeurs positives telles la foi, les bonnes manières, l'éthique, la piété aux croyants. Elle aide ainsi à équilibrer l'individu conscient de ses responsabilités, de ses devoirs et de ses responsabilités vis-à-vis de Dieu et de la société. La spiritualité musulmane, à travers les sept piliers du tasawwuf, tels que décrits par Cheikh Ahmed Bamba, et qui sont le silence, la faim, l'abandon des innovations blâmables, le repentir, l'éveil et la retraite spirituelle et la rectitude. Donc, et, et la rectitude, donc cette spiritualité musulmane est en mesure de permettre aux croyants de vivre pleinement sa religion. Les qualités soufis sont plus que jamais nécessaires dans ce monde en manque de repères, où la dégradation des valeurs est une réalité objective. La spiritualité est reléguée au second plan, au profit du matérialisme. Le bon comportement et les vertus se font de plus en plus rares. L'homme est un individu est devenu un loup pour l'homme. Le fort exploite le faible. Les plus riches ne partagent plus avec les plus démunis. La culture islamique est bousculée par la domination occidentale et les contextes de mondialisation peu d'espoir à l'épanouissement de nos valeurs socio-culturelles. C'est pour ça que nous disons que la pensée soufie apparaît ainsi comme un rempart solide contre l'acculturation déviante. Je vous remercie.